bisimilahi rahmani rahim salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu allahumma sali ala muhammadi wa ala ali muhammadi wa salim c'est moi docteur alaji onoara c'est sous là ici à passer à Séni unité 8 numéro 139, Cicrosma Fendé. Moi, c'est sous guérisseur, à base de plantes, médecine traditionnelle. C'est sous là ici. Faut voir mon produit. C'est ça on prend pour traiter maladie. On traite beaucoup de maladies. Ce n'est pas toutes les maladies. Si à on traite. il y a beaucoup de maladies, on traite. Par exemple, hémorroïdes. C'est une maladie qui a connu tous les mots presque, il y a hémorroïdes si Aduna, on traite ça bien, Allah, ça va aller. Encore infection, n'importe infection. Par exemple, quelqu'un qui pisse, ça fait mal, ou bien l'eau blanche sortie, ou bien c'est chaud, tout ça là, on traite. Encore maladie dans le sang, comme ils sont dit Indom City, on traite ça. Quelqu'un qui est en bas des pieds, c'est chaud, ou bien tout le corps, c'est chaud, ou bien il y a un bouton, des partout, partout, tout ça là, on traite chez Allah à base de plantes, c'est comme ça on fait ici. Par exemple, comme c'était dit, maladie comme hémorroïdes, on traite ça bien. Diabète, quelqu'un qui le taux de sucre c'est trop, on donne médicaments, ça va diminuer le taux de sucre. On traite ça bien. Encore, maladie dans le sang, comme ils sont dit Indom City, on traite ça. Quelqu'un qui en bas des pieds chez chaud, on traite ça. Encore la faible peut-être la faible de corps ou bien faiblesse souhait. tout ça là, on traite ça. Chez Allah, ou plaît à Dieu, ça va. Encore, il y a beaucoup de maladies, on traite comme prostate aussi. Quelqu'un qui voulait pisser, ça vient par goût. Goûter, ça vient petit petit, ou bien c'est difficile pour sortir. Ça là, ça c'est prostate, on traite ça. Encore, on traite mauvaise haleine, asthme, tout, tout ça. Il y a beaucoup de maladies, on traite les le temps, ça ne me permet pas pour dire toutes les maladies. quand tu as une maladie, il faut venir expliquer la maladie, tu es souffre. Quand il y a possibilité pour traiter, on va te dire. Quand les choses, on ne fait pas, on ne traite pas ça, on va dire, nous, on ne fait pas ça. C'est comme ça, on fait, c'est nous ici, à passer à Ceni Unité 8, en face sonate. Presque, c'est pas loin ici, Crossman Fendé. C'est là-bas ma maison. Mon numéro de téléphone, 77 516 89 27. Ça, c'est mon numéro. mbokki Sénégal mbokki Dakar rawatina yéen waa Parcelles Assainies unité 8 ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen ziar ñu ngi leen di xamal ni doomu aadama amul lu dul wér-gu-yaramam te wér-gu-yaram doomu aadama moo ko war a mën a sàmmal boppam ba tax na lépp lu nit di def te amoo wér-gu-yaram daanaka lool du sotti yéen ñi nga xam ne yéen ay waa Parcelles Assainies unité 8 nag sant leen yàlla bu baax ginnaaw bi leen yàlla buur bi jaglelee ki nga xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu pajub cosaan ak aada nekkit nit ku yiw nit ku baax nit ku bëgg nit ba lépp lu nit indi ci moom rek dana wax waxtaan ak yow dalal sa xel faj la ba nga daal di bég am na ñu bëri ñoo xamante ne dañuy ñëw ci moom indi ay jàngoro yu doy waar mu faj leen ba ñu kontaan daal di koy tuddee nag papa solution ndax jàngoro boo mënta indi rek moom mii ma leen di wax kat am na ci solution ah yéen waa Dakar ak li ko wër jàmbaar ji ma leen di bëgg a wax kan la kooku mooy El Hadj Honora El Honora nekk fii ci Parcelles Assainies unité 8 ci croisement 22 jàkkaarloo nag ak Sonatel bi am bi dana doog ak station Shell boo xoolee di nga jàkkaarloo ak benn étage tableau baa ngi ñu bind ci El Hadj Honora mom mo nekk ci villa numéro 139 yeen ñi nga xamne ne yéenay Dakar ak liko ko wër jàpp leen bu baax numéro téléphone bi di 77 516 89 27 77 516 89 27